Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h15 euh, Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Enfani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers les réseaux des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozérine, Magaria, Mainasoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï la compréhension mutuelle, la culture de la paix, le dialogue entre les communautés, entre religions, voilà des valeurs qui contribuent à construire un monde sans problème et auquel le studio Kalangu adhère. C'est dans ce cadre que la fondation Hirondelle Bureau Niger, qui gère le projet Studio Kalangu, a signé une convention de partenariat avec le Conseil pour le dialogue inter- et intra-religieux, c'est-à-dire section de Niamey. Les deux structures s'unissent pour promouvoir le dialogue entre les communautés, plus particulièrement entre les différentes obédiences religieuses du Niger. Les deux structures mettent en avant le dialogue intra- et interreligieux pour renforcer la paix, pour renforcer la cohésion sociale. C'est le forum qui est le cadre d'échange entre acteurs. Pour cette première rencontre, nous allons planter le décor en mettant l'accent sur la connaissance du Conseil pour le dialogue inter- et intra-religieux, c'est dire le premier thème que nous avons retenu, c'est vivre ensemble, le sédir. Avant de parler du vivre ensemble, nous allons nous demander ce que c'est le CEDIR, qu'est-ce qu'il vise, en quoi peut-il renforcer la paix entre membres d'une même religion et entre membres de religions différentes, quand est-ce que le CEDIR a commencé à fonctionner et qu'est-ce qu'il a pu poser concrètement comme action. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité les principaux acteurs concernés. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau du studio Kalangou à ma droite, je vais commencer par euh, Zakou Midou, le pasteur Jacques Midou. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez vous présenter rapidement. Voilà, donc je suis le pasteur Midou Zakou. Euh, je suis le trésorier du comité de dialogue interreligieux dire Merci d'être venu, pasteur. À ma droite, nous avons Cheikh Barham euh, Aboubakar. Bonjour, Cheikh. Merci d'être venu. Présentez-vous davantage à Je suis Cheikh Aboubakar Je suis le président du comité du dialogue interreligieux pour la région de Niamey, CEDIR. Le président. Oui. Merci, président, d'être venu. Et plus à gauche, Père Antoine. Père Antoine qui se présente aussi. Bonjour à vous. Père Antoine Chenu de la mission catholique et je suis dans le CEDIR, euh, le secrétaire général adjoint. Merci Père Antoine d'être venu. Chers auditeurs, chers invités, nous allons commencer notre débat et euh, il faut le faire rapidement. On va commencer par définir le Cdi. C'est vrai que c'est le, conseil euh, pour euh, le dialogue inter et intra-religieux Cdi. Là, nous sommes avec la section de Niamey. Parce que je veux commencer avec vous. Qu'est-ce qu'il faut entendre par Cdi euh, en abrégé. En abrégé, le c'est euh, comité de dialogue inter- et intra-religieux. Ça veut dire c'est un comité qui a été mis en place dans le but vraiment de promouvoir le dialogue entre les religions. Tout d'abord, quand on dit intra, ça veut dire que les religions entre elles, et les religions, les différentes obédiences entre elles-mêmes, c'est-à-dire les religieux musulmans entre eux-mêmes, parce que nous savons que euh, il y a beaucoup d'obédiences au niveau de l'islam. Voilà. Donc, euh, entre elles-mêmes, il faut qu'il y ait un dialogue qui s'installe entre ces différentes factions et au niveau de l'autre côté, entre les différentes religions, c'est-à-dire euh, entre les, les, musulmans et les chrétiens d'autre part. Donc, c'est vraiment euh, un dialogue qui concerne toutes les différentes religions et même ceux qui ne croient pas en tant que tel, même ce qu'on appelle les religions traditionnelles, ils, sont quelque part concernés parce que nous voulons dialoguer avec tout le monde. Merci pour cette définition, euh, Pasteur Zakou. Euh, Cheikh Bram, euh, votre entendement du CEDIR Merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter ce qu'a dit notre collègue de Zakou. C'est exact. Je voudrais juste ajouter le fait qu'il est dit CEDIR pour la région de Niamey. Ça veut dire qu'il y a des CEDIR dans CEDIR, ce comité reste régional. Ce n'est pas d'abord national. Euh, le fait qu'on l'appelle CEDIR Niamey euh, montre déjà qu'il est régional, euh, puisque déjà on a un CEDIR à Zender, on a un CEDIR à Difa et un autre CEDIR à Maradi. Donc, euh, à terme, bon, déjà, on a eu encore euh, tout récemment un CEDIR à Tawa et un CEDIR à Dosso, pour vous dire que bientôt, euh, tout, le Niger, toutes les huit régions auront leur CEDIR mm-hmm. et on s'achemine vers un CEDIR national. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes en train d'implanter les sections de CEDIR oui. avant de formaliser le Cdir national on est en train d'implanter avec l'aide du partenaire et du gouvernement euh, disons, des partenaires. On est en train d'implanter. On peut dire que c'est même fait de la mesure où les deux régions qui restent, Tilabiri et Agadez, ont déjà des structures qui, sont impliquées fortement dans le dialogue euh, interreligieux. On se demande même si dans ces deux régions, on va créer encore de se dire, on verra dans tous les cas. Hmm. Merci, Cheikh, pour cette définition. La parole est euh, au président moi, je voudrais faire peut-être un petit peu l'historique du CEDIR et même. Euh, peut-être qu'on va revenir sur cette, euh, cette histoire du CEDIR. Mais juste la définition, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, non, vraiment, c'est déjà complet. Oui, ben, euh, a parlé de sections qui sont en train d'être implantées. Quand est-ce que la section Niamey est née, par exemple La première section. Voilà. Alors, c'est Niamey la première section, j'imagine. C'est Niamey la, la, troisième. D'accord. en tout cas, pour, pour Niamey, là, ça a été un atelier qui a été tenu, Rêve, euh, et il a été tenu en août 2014. 2014, ça euh, fait trois ans. Oui, ça a donné suite au projet SOS Civisme au Niger dans son engagement. Euh, disons que cette réunion s'est faite au gouvernorat et c'est vraiment le 11 septembre qu'a été mis en place le, bureau du CEDIR Niamey. Ça a été fait au gouvernorat, donc c'est une structure régionale. Ce qui serait intéressant de voir, c'est tout le, passé du dialogue interreligieux. nous allons revenir sur, tous ces aspects, puisqu'on va euh, évidemment parler de, l'idée même de, la création du de, Mais avant ça, euh, Pasteur Jacques, je vais vous demander euh, qui sont les, acteurs du, du CEDIR eh bien, les acteurs du CEDIR. tout d'abord, nous avions dit que avant la création du CEDIR, il y avait déjà eh, des groupes, en tout cas au Niger, certains religieux qui se rencontraient la mission catholique l'amen et certains euh, groupements religieux de, de l'association islamique et autres qui se rencontraient effectivement pour parler du vivre ensemble. Parce que euh, nous savons que le, Niger, le contexte du Niger est un contexte vraiment particulier. Le Niger est situé dans une euh, sphère où il faut vraiment que les gens arrivent à s'entendre, à se comprendre et à vivre mieux, compte tenu des réalités que nous avons vues, en tout cas autour de nous au Nigeria, euh, en Libye tous ceux qui se sont passés comme bresso Donc, compte tenu de ces réalités-là, euh, certains, en tout cas, qui ont compris, qui ont vite vu euh, la nécessité de créer vraiment un dialogue pour permettre aux Nigériens de se préparer. C'est uniquement des religieux Des religieux soutenus effectivement par, par exemple, le, comment l'appelle-t-on, le SOS civisme CAIR international et puis bon, rêve. voilà. Des Donc, voilà, des nationaux, voilà, effectivement. Voilà, qui ont soutenu l'idée et qui vraiment ont apporté leur euh, aide, leur soutien pour pouvoir voir la réalisation de ce projet-là. Euh, Cheikh Barham, l'idée de la création, euh, ça remonte quand et avec qui Effectivement, comme l'ont déjà dit mes prédécesseurs, euh, l'idée de la création du comité de dialogue interreligieux euh, fait suite euh, aux douloureux événements qui se passent un peu partout en Afrique autour de nous. Père Antoine, vous aurez la parole. Donc, ça veut dire que les partenaires ont vu que la nécessité de dialoguer, peut-être que dans certains conflits qu'il y a autour de nous, il y a un relais religieux. Donc les gens ont, estimé qu'en créant ce comité, en créant le dialogue, euh, ça peut contribuer vraiment à, planir et à apporter une, contribution. Quant aux associations qui ont contribué, il y a euh, euh, des groupements d'associations il y a aussi des associations euh, individuelles qui se sont retrouvées pour créer le CEDIR. Entre autres, il y a par exemple ECAN, Église catholique du Niger, comme il l'a dit. Il y a Amen, Église, Association des Églises évangéliques du Niger. Il y a FECAD, Fédération des associations, c'est une trentaine d'associations islamiques. Il y a aussi ce qu'on appelle Kazin, qui est encore autre, euh, un autre groupement d'associations de, islamiques. Il y a Union islamique africaine. Euh, il y a beaucoup d'autres associations qui se sont retrouvées vraiment pour euh, créer le CEDIR. On va donner la parole à Père Antoine pour compléter sur l'historique du CEDIR. Oui, peut-être qu'il faut faire remonter l'histoire euh, plus, haut, plus haut. En, en avril 2003, SOS Civisme a osé organiser Vraiment, c'est osé. une rencontre entre chrétiens et musulmans. Pour réfléchir sur plusieurs points, euh, la, citoyenneté, réfléchir le rôle des leaders religieux dans la gestion des conflits, et puis euh, ça peut déboucher aussi sur le développement. Ça, c'était une première réunion euh, qui a été difficile, mais qui a, donné satisfaction. Et c'est là, on peut dire, la, naissance au niveau régional tous les ateliers. En 2003, mais il a fallu pratiquement combien d'années pour euh, arriver Tous ces ateliers ont été restitués dans les régions sensibles, c'est-à-dire entre autres Maradi et Zinder. Et c'est là qu'à Maradi et Zinder, les comités interreligieux pour le dialogue sont, nés, donc à peu près en 2006. Et c'est pour ça que Niamey est arrivé après. Euh, voilà. Ici, à Niamey, il y a eu un comité de suivi qui a été mis en place, à regrouper, comme disait euh, Sheikh Baham, euh, la Hyène, la Casine, l'Église catholique, Amen et SOS Civisme. Les, recommandations qui sont sorties de ces ateliers ont été transmises au, président de la République par, euh, les, grands responsables de ces associations-là. Il y avait Sheikh Ismaël, il y avait Monseigneur Michel Kartategui, il y avait Pasteur Alassane qui représentait Amine, et il y avait euh, un, Aminou qui euh, représentait SOS Civisme. À la suite de cela, le premier ministre qui était Hama Amadou à l'époque a fait organiser un colloque qui a abouti à une caravane qui a parcouru le Niger tout entier, Difa, Agadez, Tawa, Maradi bien sûr, Tilaberi, pour sensibiliser déjà les gens au dialogue interreligieux. Vous voyez, ça, date, hein euh, Donc l'idée de départ, c'est le dialogue interreligieux. On a un peu oublié l'aspect intra. Oui, ce qui est mis en avant, c'est le dialogue interreligieux. interreligieux. interreligieux. c'est surtout ça qui est mis en avant. À partir de là, SOS Civisme a, monté ce fameux projet rêve, revaloriser le vivre ensemble. Hein, et qui a donné ça ensuite. Entre à... religions. Euh, le vivre ensemble entre, entre religions. c'est ça, hein, qui a donné suite, euh, la suite à Niger Espoir. C'est ça qui a pris la suite là, et euh, voilà, on, en, est là, on en est là. L'Union européenne a confié la gestion au consortium SOS euh, Civisme et CARE. Euh, il y a beaucoup d'acteurs qui sont derrière cette idée de, dialogue interreligieux ah ben qui, va devenir un, un, peu plus tard inter et intra-religieux. Oui ça démontre un peu de l'importance de la question. Voilà. Je vais vous annoncer l'arrivée de Mega Alou. Vous allez vous présenter. <laughs> Je me nomme Alou Hamamega. Je suis secrétaire général du comité de dialogue interreligieux de la région de Niamey. Merci Mega Alou d'être venu. Nous avons déjà un peu défini ce que c'est les sédirs. On est dans l'historique. Peut-être que vous avez un mot à ajouter sur l'historique de la création du sédir. Bon, la création du sédir, c'est-à-dire que c'est c'est une continuité en réalité, le, le sédir c'est une continuité. Il y avait déjà, c'est des pratiques réussies déjà, il y a nos leaders religieux, à savoir euh, Monseigneur euh, Kartetegui, Monseigneur Guy Romano et Monseigneur Berlé avec les, euh, les grands imams de Niamey on avait toujours l'habitude de se concerter, de se consulter, de dialoguer ensemble. Donc c'est une continuité pour nous et ce n'était pas du nouveau le fait de venir créer le CEDIR, c'est la concrétisation de ce qui a toujours existé entre les chefs religieux. Père Antoine, vous allez ajouter quelque chose C'est l'historique pour qu'on en finisse rapidement. pour appuyer ça, notre commission diocésaine interreligieuse là, à Niamey date de 1996. Vous voyez, ça remonte. Au niveau hein. de la région Au niveau du diocèse de Niamey. Voilà. Et, ça existait aussi, ça a été fait pareil à Maradi. Donc 1996, il y avait déjà le comité, euh, la commission diocésaine interreligieuse. Merci pour cet historique. Alors, quand on, on a retracé un peu l'histoire, mais je voudrais aborder l'aspect crédibilité de, ce, conseil. On va commencer par euh, euh, Pasteur Zakou. Une organisation qui prend le dialogue la, promotion de la paix a besoin vraiment de crédibilité et des gens qui sont respectés pour pouvoir euh, euh, faire le travail. Quelle est la crédibilité dont dispose euh, le, Conseil de dialogue inter et intra-religieux effectivement, Voilà, nous pouvons dire que le comité de dialogue inter et intra-religieux est un comité crédible, d'autant plus que ce comité a été mis en place au niveau du gouvernorat du Niamey et, qui a vu la participation, en tout cas, des, plus grandes euh, organisations. Quand vous voyez, vous entendez parler de, de, la mission catholique ECAN, de l'AIN, euh, de, de, l'AMEN, parce que la, de la FECAD, l'AMEN, nous, pour nous, c'est l'association des églises et missions évangéliques du Niger. Donc, toutes ces grandes organisations se sont retrouvées, en tout cas au niveau euh, du gouvernorat sous la supervision des autorités de, la région de Niamey et euh, effectivement avec euh, la bénédiction des plus hautes autorités du Niger. Donc ça fait que ce comité a été mis en place réellement avec tout ce qu'il faut et aujourd'hui en train d'activer pour que et en train de, travailler pour voir vraiment la paix durable ici au Niger. Vous n'avez aucun doute que tout le monde représenté Nous n'avons aucun doute, euh, mais nous savons qu'il y a encore d'autres organisations qui ne sont pas encore dedans. Mais nous sommes en train d'ouvrir les portes. Les portes sont ouvertes effectivement pour que toutes les organisations euh, chrétiennes ou musulmanes qui se sentent concernées par le dialogue ici au Niger et qui veulent voir vraiment la réussite de, notre peuple, la réussite de la paix ici au Niger, puissent intégrer et les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde afin que nous puissions travailler d'un commun accord pour vraiment euh, la paix au Niger. Hmm. Cheikh Barham, quel appel pour ajouter de la valeur, euh, de, beaucoup plus de crédibilité au CDI Effectivement, comme l'a dit si bien Pasteur euh, Zakoumidou, la crédibilité de, de vient d'abord du fait qu'il a été fait euh, sous l'égide du gouvernorat, dans le locaux même du gouvernorat. Euh, mais rassurez-vous, le CEDIR est une structure indépendante. Les textes le disent très clairement, mm, mais la tradition voulait que euh, soit régional, donc vraiment que dans les régions, il soit euh, autorisé par le gouverneur. Donc c'est ce qui fait que euh, le sédir de Niamey aussi, c'est ce qui est dans le même euh, cadre, dans la même logique. À terme, je l'ai dit tantôt, on va s'acheminer vers un sédir national. Donc, dans son aspect interreligieux, on peut dire que le sédir est totalement représentatif de des grandes religions du Niger. Entre religions. religions oui. Mais côté Quelles sont les religions, les religions concernées <laughs> Bon, quand on euh, dit oui. les religions, c'est l'islam et le christianisme. L'islam et le christianisme. Voilà. Mais côté intra-religion, donc ça, c'est-à-dire chaque, chacune des religions prises individuellement en son sein admet quelques sensibilités. Donc, euh, toutes ces sensibilités doivent aussi se retrouver dans le cadre du euh, de, CEDIR. Donc, c'est à ça qu'on est en train de travailler. Il reste, pour, il beaucoup à Non, pas beaucoup, juste quelques éléments, euh, quelques individus qui ont déjà donné leur accord de principe. Père Antoine non, mais c'est bien. Sur la crédibilité et puis la représentativité au niveau de intra-religieuse d'abord et puis inter. Pour inter, tout le monde est d'accord que toutes les sensibilités sont d'accord, elles se réunissent, etc., etc. Mais euh, la question intra. Oui, on a surtout travaillé sur l'interreligieux. religieux hein. Mais l'intra-religieux, par exemple, il a été renforcé à notre niveau, nous, par les événements de, du 16 et 17 euh, janvier 2015 euh, là, ça nous a beaucoup rapprochés avec le monde euh, protestant, là, avec le monde évangéliste, puisqu'on a eu les mêmes, les, mêmes dégâts, je dirais, là. Mm. Alors, ça nous a rapprochés pas mal et on, a fait des connaissances et on. Donc, la dynamique est, créée Oui, oui, oui. Vous oui, êtes certain oui, il y a même un comité qui est, qui est reconnu entre nous, là, et qui est mis en place. Allô euh, donc, en ce qui concerne la crédibilité, nous, nous savons que le dire à la crédibilité crédibilité, d'autant plus que les associations membres du CEDIR sont celles qui ont eu à créer le groupement des associations islamiques pour les questions de population et développement social. Donc 24 associations qui sont représentées. Or, ce sont les représentants de ces associations qui, sont dans le CEDIR en la personne de leur secrétaire général, moi, Alou il y a également la Fédération des associations islamiques pour la culture, hein, l'appel et la dévotion, qui est également un groupement d'associations de 36 associations islamiques qui sont représentées en la personne. Je suis le SG adjoint également de cette structure. Et il y a également l'Alliance des religieux musulmans et chrétiens de lutte contre les maladies endémiques qui était déjà créée depuis 2005 où les musulmans et les chrétiens ensemble lutte contre les maladies endémiques, le sida. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc, c'est une continuité en quelque sorte, comme je vous avais dit. Donc, voilà la crédibilité du CEDIR. Toutes ces associations, et dans ces associations, le, la grande association islamique dont on parle, hein, l'association, est membre du groupement des associations islamiques. Et toutes les personnalités islamique reconnu se retrouve dans ces associations-là, euh, qui, la FECA, le, le, groupement ou Kazin, euh, ou alors euh, la coordination des associations. les membres se retrouvent également au sein du Merci à vous pour ces précisions. Après la question de crédibilité, on va tendre vers les objectifs. Je vais commencer par Sheikh Barham. Qu'est-ce que le CEDIR vise Effectivement, comme son nom l'indique, c'est une structure destinée à créer le contact le dialogue est en interreligieux et en intra-religieux. Vous voyez, c'est tout un programme, mais c'est un programme vraiment euh, possible euh, et qui, comme vous l'avez entendu, euh, Père Antoine nous a fait l'historique du dialogue au Niger. C'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient de loin. Et quand on sait qu'au Niger, euh, chrétiens et musulmans ont toujours vécu dans la paix, on peut se demander mais quelle est l'utilité de créer une structure pareille. Mais n'oublions pas qu'il y a eu des événements en 2015 qui ont causé des destructions massives chez les chrétiens, les églises, etc. Donc euh, tout cela euh, nous montre que ce dit là a, euh, du travail à faire. C'est cet événement qui a renforcé l'idée de créer le, le CEDIR. Ça, nous a beaucoup rapprochés, comme ça a rapproché, il l'a dit, les différents groupes euh, religieux chrétiens. Et ça a aussi rapproché musulmans et chrétiens dans notre pays. Donc, euh, entre autres, vraiment ce rapprochement est l'un des points forts des objectifs du CEDIR. Père Antoine. Oui, effectivement, tout ça, c'est bon. Qu'est-ce que vous allez ajouter comme objectif au-delà de en ce qu'il a dit En tout cas, le but... Le premier contact, le dialogue, autre chose encore Le but n'est pas de convertir l'autre. Hein. Le but, c'est euh, de, trouver, pour nous chrétiens, euh, un dialogue vrai, se laisser édifier par ce qui est l'œuvre de Dieu dans l'islam pour nous autres chrétiens. Là. Un dialogue qui n'a jamais manqué, parce que, en tout cas, euh, oui, mais faut, générale, faut, faut appeler à s'apprécier. Ce C'est pas simplement se, supporter ou c'est pas simplement, voilà, c'est s'apprécier les uns les autres, se laisser édifier par ce qui est beau dans l'islam, et que de l'autre côté, euh, également, poser de notre côté des gestes qui stimulent l'islam et les musulmans à s'ouvrir aux valeurs de l'Évangile, qu'on s'enrichisse mutuellement. Euh, ça c'est un témoignage qu'il faut donner on doit s'apprécier mutuellement. Non pas se tolérer seulement, mais s'apprécier. Donc apprendre à se connaître. Une vraie rencontre aboutit toujours à un enrichissement mutuel. Nous allons voir comment cela se concrétise au fil du temps. Mm. Euh, je vais donner la parole à Pasteur euh, Zakou. Cette histoire d'objectif que euh, vise le CEDIR Effectivement, l'objectif du CEDIR, effectivement, comme l'autre l'a dit, ce n'est pas euh, tolérer l'autre, mais nous, nous croyons que les objectifs du CEDI, c'est amener les uns mm. et les autres, voilà. Amener les uns et les autres à comprendre que nous sommes euh, fils d'un même pays, nous sommes euh, destinés, nous avons un destin commun. Même si nous n'avons pas la même, même si nous n'avons pas la même religion, parce que moi je suis chrétien évangélique, j'ai peut-être pas la même vision que le catholique j'ai peut-être une vision différente. Mais ce que je sais, c'est que dans ce comité, ce comité nous met ensemble pour nous permettre de regarder du même côté, de regarder ensemble dans une même direction pour créer une dynamique vraiment de, vivre ensemble et, créer une paix durable. Euh, en ce sens que chacun d'entre nous doit comprendre qu'il y a une réalité. Et la réalité, c'est que nous sommes euh, créer, nous sommes sur un même territoire, sur une même nation, nous avons une même nation et nous devrons avoir la même vision de promouvoir la paix sociale et promouvoir euh, vraiment euh, le développement social de notre État. Et tant que nous ne sommes pas ensemble, tant que nous ne vivons pas ensemble, tant que nous ne nous donnons pas la main d'association, nous ne pouvons pas avancer. Parce que sans paix, il n'y a pas, de, il a pas de développement. Donc il faut créer cette paix d'abord, consolider cette paix, et cela se fait au travers du dialogue. Et c'est ça, effectivement, l'un des objectifs du CEDIR. Mhm. La parole à Alou Mega. Donc, euh, Pasteur Midou l'a déjà dit. Donc, pour nous, la tolérance, déjà, euh, c'est une vertu. Donc, il faut que cette tolérance-là soit également suivie faits. L'effet, c'est le dialogue, c'est la consolidation de la paix. Donc, les gens dialoguent, alors ces gens, chacun sait déjà ce que l'autre pense de toi, et puis les idées préconçues disparaissent. Généralement, les sources de conflits sont toujours, euh, viennent de des idées préconçues. On croit que l'autre pense mal de vous parce qu'il n'a pas la même culture ou ne s'habille pas de la même manière que vous, il n'a pas la même vision, alors qu'en réalité, dès que vous l'écoutez, il vous écoute, vous voyez que ces idées préconçues disparaissent d'elles-mêmes. Mais Père Antoine parlait de, du, premier contact, tout comme Cheikh Barham. Quel était le premier contact le premier contact, comme j'avais eu à le dire, les grands responsables religieux de tout le temps ont eu à dialoguer entre eux. Nous, les profanes, nous qui étions en bas, on les voit se rencontrer autrement, mais en réalité, euh, le, citoyen moyen, le citoyen lambda, comme on le dit, croit parce qu'il ne part pas écouter. Tant que tu ne pars pas écouter, si tu ne connais pas ce que l'autre, sa religion même, ce qui, est dit dans sa religion, tu ne peux pas être convaincu qu'en réalité, l'idée que tu te faisais de lui, n'est pas ça. Et ces, ces appréhensions, depuis que nous avons commencé la sensibilisation à travers le, les CEDIR, le comité de dialogue interreligieux, nous avons eu des retombées ben, positives. Oui, juste après on va parler de, ce que vous avez pu faire. Hein. Euh, juste le temps d'observer une courte pause mm. et on revient au studio. forum du studio Kalango Suite euh, et nous revenons au studio avec nos invités, Cheikh euh, Barham, Meg Alou, Pasteur Zakoumidou et Père Antoine pour parler du comité du, dialogue inter et intra-religieux. Euh, chers invités, chers auditeurs, nous avons déjà parlé de ce que c'est se dire, nous avons parlé des objectifs, nous avons parlé de la crédibilité de ce comité. On va parler maintenant des actions que vous avez pu poser déjà. Trois ans d'existence, euh, je commence par Sheikh Barham. Ça fait déjà un peu comme temps. Mais... En trois ans, qu'est-ce que vous avez posé comme jalon Merci beaucoup. Comme l'ont déjà commencé à le dire les autres, la plus, en attendant que les autres camarades me complètent, euh, la plus grande action, réalisation du CEDIR, euh, c'est de mettre musulmans et chrétiens ensemble. Ils étaient toujours ensemble dans ce pays. Mais de, créer un lien, euh, un espace de dialogue et de rencontre. D'autant que nos religions ne l'interdisent pas. Au contraire, nos deux religions encouragent et favorisent euh, le dialogue. Le Coran dit ça veut dire quoi Ne discute avec les gens du livre que d'une façon plus euh, courtoise. Qui sont les gens du livre Ce sont les chrétiens, ce sont les juifs. Donc l'islam dit ça Allah dit ça à son prophète euh, dans le Coran, dans le Saint Coran. Il dit de ne discuter. C'est-à-dire que il est autorisé de, discuter avec eux, de de faire cette euh, discussion d'une façon très polie et très courtoise. Donc vraiment, c'est quelque chose que nous avons trouvé dans nos textes, c'est quelque chose qui est là, mais on a l'impression que euh, certains individus euh, veulent ramer à contresens, veulent faire comme si cela n'existe pas dans notre religion. Non, on ne va pas rester les mains liées face certaines idées euh, qui, qui, qui vont au euh, contre courant de, notre religion. Donc voilà, de mon point de vue, il y en a beaucoup d'autres objectifs, nos camarades vont y venir bien sûr, beaucoup d'autres réalisations, euh, mais à mon sens, le fait de créer cet espace-là, d'avoir osé franchir le pas, moi je pense que c'est une réalisation très importante. Père Antoine, avant peut-être de parler des actions concrètes que vous avez posées, ma question est qu'est-ce que le livre saint, euh, de votre confession dit sur euh, la rencontre, le dialogue avec l'autre. On, on a la même citation. Rendez compte de votre foi avec respect et douceur vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est la même citation qu'on retrouve dans, le, dans, une lettre de, Pierre, de Saint Pierre, donc le disciple direct de. Donc ce qui est mis en avant, c'est l'argument, la force des arguments. Non, ah, non, non, non, c'est pas l'argument, c'est la, vie, c'est la foi. C'est la, foi. Et la façon de vivre sa foi, je vous disais ça, quand on rencontre l'autre, là, c'est toujours un enrichissement mutuel. Dans, le dialogue, on apprend, et on a beaucoup appris, à respecter tous les autres, tous les autres, le respect. Ça, c'est un grand, principe de nos deux religions, le respect de l'autre. Et ça, c'est un acte concret de se dire. Oui, respecter nos différences. On a des différences il faut les respecter. En ce sens que on a des différences, c'est vrai, il ne faut pas les gommer, mais nos différences doivent servir à nous enrichir. Le, Coran là-dessus a, beaucoup de, de méditation. Si Dieu nous a fait différents, c'est pour nous enrichir, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous battre. Et effectivement, euh, ce, ce, là a aussi pour mission de rejeter tout ce qui est fanatisme, extrémisme, préjugé, comme disait tout à l'heure Eladj Alou, et euh, tout ça qui, qui mène à la violence. là. Alors on essaie de mettre au contraire, nous, la paix, et on trouve ces, citations et ces invitations à la paix dans nos deux religions. À l'Oméga, les premières actions concrètes du, du CEDIR Les premières actions concrètes du CEDIR, c'est que nous avons fait des sensibilisations à travers les médias par des tables rondes, des débats à la télévision et dans les radios, et dans les radios, surtout radios communales de proximité, et à travers également des conférences Hein, au, niveau des quartiers et au niveau des espaces euh, conçus à cet effet. Donc, euh, euh, à savoir les, espaces de conférence tels que c'est prévu, nous convions les populations d'un arrondissement donné pour pouvoir discuter avec ces, ces populations. Donc, on montre les deux aspects de la religion musulmane et chrétienne qui, en réalité, se retrouvent et de là, les gens sont ébahis de constater que, comme on le dit, Dieu a envoyé ses prophètes avec les mêmes observations et les mêmes lignes de conduite. Hein? Les gens sont surpris de constater que tous les prophètes disent presque la même chose. C'est la manière dont les gens qui prêchent et qui sont chargés de faire les sermons les présentent qui les différencient, mais en réalité, les prophètes sont venus avec les mêmes enseignements positifs. D'accord. Pasteur Zakou. Oui, effectivement. Comme Qu'est-ce que vous avez posé comme action Voilà, les... ce qui a été posé, effectivement, il y a eu le rapprochement entre les religieux. Effectivement, Père Antoine a souligné cela. Il y a eu un grand rapprochement entre les religieux, d'une part, euh, que ce soit les catholiques, les évangéliques, euh, les musulmans, nous nous retrouvons, nous parlons, nous partageons et cela a permis vraiment de créer un cadre propice pour la paix. Effectivement, je m'en vais dire tout juste euh, un mot parce que dans la Bible, ce que le Seigneur nous a exhorté à faire, il dit d'aimer. Et l'amour, l'amour du prochain doit être mis en exergue. Quelles que soient ses idées, quelles que soient ses, ses religieuses. parce que effectivement, parce que quand nous, ferons, quand nous faisons référence à la Bible depuis les premières pages de la Bible, nous voyons combien Dieu, ce si grand Dieu, merveilleux, intelligent et sage, quand il a créé l'homme, nous voyons euh, il a créé l'homme et la femme. Et il y a une diversité. Mais malgré cela, nous voyons avec le temps, il y a eu beaucoup de, de, diversités qui sont arrivées avec euh, euh, les différentes religions créées. Mais ne serait-ce que en tout cas, il faut qu'ils se retrouvent pour comprendre qu'ils ont été créés par un même Dieu qui, qui, qui a la vision de, de, la diversité et qui veut que cette diversité puisse se comprendre, vivre ensemble et non pas se détruire. Donc aujourd'hui, nous avons compris que ce qu'il va falloir mettre en exergue, c'est l'amour du prochain et non pas la haine. C'est pas la destruction, mais l'amour. Et Jésus nous a clairement dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez, aimez même vos ennemis, même ceux qui se comportent en ennemis. Aimez-les et faites-leur du bien. Voilà en fait ce que nous voulons ressortir. Aimer l'autre, c'est cela que Dieu veut. Merci, Pasteur Jacou, pour cette précisions. Mon, autre question, c'est par rapport au, comité lui-même. Est-ce que le CEDIR est connu à Niamey, au-delà de vous qui êtes membre du bureau et vous qui vous rencontrez vous qui vous comprenez. Justement, c'est sur ce point que je voulais, parce que j'ai pensé que mes camarades me compléter sur cette question. Euh, le CEDIR euh, régional s'appuie sur des antennes. C'est-à-dire que donc, euh, il y a un bureau c'est dire commune Niamey jusqu'à les cinq communes ont déjà eu leur CEDIR qui, ont été installés en bonne et de forme. Chaque cédir euh, donne, euh, présente de euh, des musulmans et des chrétiens dans son bureau. Vous avez une idée des membres C'est-à-dire. De, votre du bureau cédir Niamey jusqu'à la base oui. oui. Donc, euh, en attendant que le SGM euh, euh, mm. va y venir, donc moi, je voudrais juste signaler qu'ailleurs aussi, à Zender, ils ont installé les séries dans toutes les communes. C'est vous dire que c'est une structure unique qui ne sait jamais, qui dont le genre est inconnu au Niger. Ça existe partout. C'est aussi nous seulement que ces dire n'existent pas. Donc, et voilà que le Nigérien rattrape d'une belle manière ce, ce Donc, c'est la première fois qu'on a une structure qui regroupe musulmans et chrétiens. Cela constitue en soi déjà une très grande avancée. Vous n'oubliez pas l'aspect intra ouest Voilà. Et voilà que maintenant, euh, ce n'est pas une structure qui est seulement installée dans les grandes villes, mais qui a des antennes dans toutes les communes qui sont liées à chaque grande ville. Et c'est cet aspect-là que je voulais signaler. En attendant que le SG e nous parle. avant le SG, e, euh, je veux demander à Père Antoine. Vous êtes connu à Niamey ah, moi, je suis un peu connu à Niamey, oui. En tant Pas que vous, le, CDI. Le, <laughs> vous êtes connu, le, comité. Ah, bah, quand même, euh, bon, ceux qui ont suivi les émissions radio, on en a fait quand même à peu près, je crois, 44 l'année dernière dans les différentes radios, que ce soit en Fanny, la Barry, euh, Sahel, etc. Donc 44, théoriquement, il y a des gens qui nous ont entendus. Et là encore, en se promenant dans la rue hier, il y en a un qui m'a dit je vous ai vu à la télévision hier, parce que nos émissions, ce qu'on fait dans les communes, là, c'est euh, télévisé aussi. Là. Donc il y a la sensibilisation par les médias. Je crois. Est-ce qu'il y a d'autres actions plus concrètes euh, non, c'est surtout la sensibilisation que l'on a, que l'on a travaillé plus que des actions concrètes. Là. Des actions concrètes, si, il y en a eu par exemple euh, nos, jeunes chrétiens qui sont allés à Kyoto pour euh, aider un peu à l'installation de la fête de Mouloud. On a, on a des rencontres comme ça, ça fait du rapprochement ça aussi, de ces jeunes qui se côtoient et qui, qui font des petites activités ensemble pendant un ou deux jours. Ils font du, manuel là ensemble, ils se retrouvent, on est, on est, on est on est pareil. Hmm. Monsieur le secrétaire général, une idée de vos membres euh, nos membres, la composition du CEDIR, ça se retrouve au niveau aussi bien des communes. je dirais que la composition des communes, elle est euh, pareille partout, que ce soit à Zander, à Maradi, à Tawa, euh, avec l'observatoire d'Agadez également. Tout récemment, nous avons été jusqu'à Difa où les cinq CEDIR existants en ce moment, puisque actuellement, il n'y a que la région de Tilaberi et de dossier seulement qui sont dépourvus de comités de dialogue intra-religieux régionaux. Est-ce que tous ces aspects d'intra et d'inter sont tenus à tous les niveaux À tous les niveaux. Donc chaque, comment dire, chaque religion a ses, ses, ses intras. Donc L'inter, c'est entre les religions. Mais l'intra, chaque religion traîne ses, intras, donc qui sont où chacun cherche à amener l'autre à justement à se tolérer. Parce que malgré les, petites divergences qui existent dans chaque religion. Vous n'êtes pas sans savoir que ce que nous avons, il y a toujours des tendances dans chaque religion. Et ça, c'est ça l'intra en question. donc, nous, l'inter qui est la meilleure structure qui existe et qui a toujours persisté. Et c'est sur ça que nous mettons en avant d'abord. À chaque religion maintenant de euh, de gérer ces intrants. Hmm. vous avez l'impression que les populations vous accompagnent, les, grands fidèles, hein, nous à la base. Nous, sommes même convoqués puisque nous avons des retombées. Il y a même, il y a une fois, on était passé à la radio, comment dirais-je, euh, en famille, j'étais dans, le taxi, je rentrais, que j'ai eu un coup de téléphone, un gars se présentait, il me dit, ah, je suis euh, colonel, j'étais suivi, tu me connais pas, mais j'ai apprécié votre intervention, vos discussions là. Continuez que Dieu vous aide. J'ai dit merci c'est ce que nous voulons. Donc, ce sont ces genres de réactions des gens, sans vous connaître, vous téléphonent qui disent vraiment, ils ont apprécié hein, la prestation que vous venez de faire dans telle radio ou telle euh, émission. Euh, Donc, on voit que les gens suivent de près. Et d'ailleurs, la réunion, c'est-à-dire que quand on dit que le CEDIR demande aux gens d'une commune hein, euh, quand vous voyez l'engouement que les gens viennent dans, au niveau de leur mairie où il n'y a même pas euh, place pour passer, on sent que vraiment c'est apprécié. Et les gens sortent également avec des idées qu'ils n'étaient pas rentrés avec. Euh, euh, d'accord. L'autre aspect, l'autre question que je voudrais bien euh, poser à vous tous, vous avez parlé de représentativité, de crédibilité. Il, y a, il, y a, aussi la question d'indépendance. Il y a beaucoup de partenaires qui sont avec vous, l'Union européenne, l'État et bien d'autres organismes nationaux et internationaux en quoi est-ce que vous êtes indépendant par, par rapport à ces, structures qui vous Nous sommes indépendants euh, dans la, mesure où nous pouvons nous adresser à l'une ou l'autre, un partenaire ou l'autre partenaire pour demander le financement de nos activités pour aller dans telle région, puisque généralement les, TDR, hein, euh, travaux, sont, euh, la question de L'interdépendance, nous, nous disons que c'est à nous de former nos, comment nos actions que nous allons former et demander aux partenaires de les financer. Ce n'est pas aux partenaires de nous voilà ce que vous devez faire. C'est vous qui dites ce que vous voulez, et où vous voulez aller. Nous voulons, où nous voulons aller et comment nous voulons faire. Pasteur Zakou, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la question de l'indépendance, par rapport à vos partenaires qui vous soutiennent Bon, euh, ce que je peux dire, euh, effectivement, comme euh, le secrétaire général l'a expliqué, c'est à nous, au niveau du CEDIR, en quelque sorte, c'est à nous de préparer nos TDR. C'est à nous de préparer notre plan d'action. C'est à nous de leur présenter, de leur soumettre. Et ils, euh, acceptent, ils apprécient, ils nous appuient. Et c'est à nous, effectivement, de diriger nos actions. Il n'y a pas de doute, personne ne peut vous faire pression par rapport à telle ou telle autre chose euh, Non, en, tout cas, nous ne croyons pas à cela parce que notre organisation, comme euh, le président l'a souligné, nous sommes apolitiques. Et nous ne voulons pas effectivement euh, nous mixer dans le domaine politique. Nous sommes des religieux et nous voulons rester à l'écart, n'est-ce pas, de la politique pour travailler euh, la main dans la main pour que vraiment il y ait une paix durable dans ce pays. Cheikh vous en avez déjà parlé. Un mot avant de donner la parole euh, au, Comme on l'a dit, bon, c'est dire vous le savez, c'est une structure jeune. On a encore besoin, certes, de l'appui des de, partenaires, mais le plus important, c'est de considérer que dans, c'est de voir que dans nos textes, il est dit clairement que c'est une structure euh, apolitique euh, qui est autonome, euh, qui est indépendante et c'est dans toutes nos têtes. Et vraiment, du côté du gouvernorat, on n'a jamais subi de, pression ni du côté du politique. Encore, c'est la même chose aussi du côté de, des bailleurs de, fonds. Donc tout à l'heure, on a parlé des réalisations. J'ai oublié un détail, c'est le fait que le CEDIR a contribué ou bien a été même à l'origine de la création d'un manuel euh, sur le dialogue interreligieux. C'est aussi. C'est disponible dans les. Dans oui, bientôt. Bientôt, c'est fait. C'est sous la presse, je crois. C'est à l'imprimerie, oui. C'est à l'endroit des. oui. tous les aspects intra et interreligieux sont évoqués. Oui, Dans, le manuel. Dans le manuel, côté euh, chrétien comme côté musulman. Père, Antoine, qu'est-ce qui me dit Dites-moi quelque chose qui me prouve que vous êtes indépendant par rapport à vos partenaires on est, dans un pays d'ailleurs qui nous, respecte beaucoup. Hein. donc on n'a jamais été contrecarré dans euh, ce que nous voulions faire et dans toutes les fois où nous prenons la parole à la radio et tout, on, nous laisse vraiment libre là. On, est libre, on est libre de tous les côtés, on n'a pas de pression. Alors un dernier mot, euh, on va conclure parce que le temps passe la euh, paix euh, au Niger, l'insécurité, Boko Haram, Madifa, euh, l'insécurité à Tilabiri. Un mot, rapidement. Père Antoine. Le, mot, c'est que nous, on travaille du côté positif et malheureusement, on entend à la radio quelquefois des, des, émissions qui, qui, vont contre notre, notre activité, qui prêchent plutôt la, haine ou l'intolérance ou la méfiance. Il faut bannir tout ça. Et ça, ça, ça nous fait mal. On va en parler certainement dans les prochaines émissions. Cheikh Baram, un mot. Oui. Donc, les religions révélées sont contre la violence, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vient. Donc, oh, tout ce qu'on entend ne fait pas partie de l'islam, ça ne fait pas partie du christianisme. Donc oh, vraiment ces religions-là sont faites pour vivre ensemble, oh, pour contribuer à la paix et à la stabilité de ce pays. Pasteur Zakou en 15 secondes. Oui, effectivement, euh, ce qu'on peut dire, effectivement, nous travaillons vraiment pour que euh, continue d'avoir la paix, la tranquillité, comme euh, Père Antoine l'a dit, effectivement, mais il y a quelques-uns qui s'aiment vraiment du désordre. Mais en ce sens, nous avons écrit une lettre euh, l'autre fois, le C.D. région de Niamey, suite à certaines réalités, ont écrit une lettre et suite à ça, nous avons vu que, en tout cas, les, choses s'améliorent. On aura l'occasion d'en parler, pasteur. On, finit avec euh, Alou Meiga, qui est, le secrétaire général de l'association. Donc, nous, notre souhait, c'est toujours la consolidation de la paix et nous aimerions également que l'État aussi fasse sa, fonction est d'assurer la sécurité des édifices religieux sans distinction de religion, tous les édifices religieux doivent être protégés par l'État. Voilà, nos invités, euh, euh, Monsieur M. Aloumega, qui est le secrétaire général du Conseil de dialogue inter, comité de dialogue inter, intra-interreligieux, mais aussi Cheikh Barham Aboubakar, Père Antoine Chenu et Pasteur Midouzakou. Nous avons parlé du dialogue interreligieux et intra-religieux. Merci de nous avoir suivis. Dans le prochain numéro, on parlera d'autres thématiques. Merci, bonne soirée à tous.